nous aurons pu continuer à parler d'ici d'un certain nombre de projets de reconquête qui ont réussi. Je finirai par deux projets qu'on mène et qui sont en ligne droite dans les responsabilités que le président de la nous a confiées. Je veux dire ici les régions côtières. C'est un problème majeur pour l'amélioration de notre cadre de vie. Nous avons des difficultés, des familles en détresse, des familles séparées, des maisons complètement hachées au milieu. Et nous, avec l'accompagnement de l'État, parce qu'à l'époque, c'est le Premier ministre qui nous avait reçus d'ailleurs, et qui avait, euh, disons, instruit la Sénélec de nous accompagner. La Sénélec a mis à notre disposition un milliard, la commune a complété, et ce sont aujourd'hui 114 logements qui seront construits pour nos victimes de la région côtière. Il reste encore d'autres familles, 300, 400 voire, on n'a pas encore précisément le recensement, et nous comptons sur l'État. Nous comptons sur vous aussi pour nous aider à reloger ces autres 300 voire 400 familles, y compris Minam, pour complètement sortir nos populations des affres de la région côtière. Je suis très honoré aujourd'hui de présider cette séance qui a pour but de faire échanger les populations de Barny sur le cadre de vie, l'hygiène publique, la propreté. Vous savez, une commune ne peut émerger sans le dynamisme de celui qui la dirige. Et toutes ces initiatives qui viennent d'être montrées en quatre ans, surtout sur le cadre de vie, j'y reviendrai, l'importance du cadre de vie, mais surtout la transformation qualitative de la vie de nos concitoyens. En Afrique, dans nos pays, nous avons souvent un retard économique, infrastructurel très élevé qui fait que souvent nos politiques publiques, nous avons l'habitude de les décliner de façon quantitative def nañ nangam ci tali def nañ nangam ci euh, lampe ak yu non la amal nañ koy defal loolu nak buñ koy wax euh, mbiru cadre de vie da ci ndax nit gis jëmmam la waye xelam la nañ koy xolé nañ koy gisé ñun ñëpp bëgg nañ ku ñu naw Europe wala yenen dëkk yi buñ fa dañ man damay wax souvent di le président de la république war nañ ko delloo njukkal ndaxte moyens yi muy sonn di ko dugal di ko def ci autorité di ko def ci UCG di ko def feneen ak feneen dañoo war saa yu génn te bitim réew bu ñuy tudd dëkk yi gën a set ñu bañ di wax Casablanca ak ki Kigali dañ ci war a boole Sénégal. bu état wootee ne dañ bëgg mu gën a set dañ bëgg yoon yi gën a leer dañ ci war a sóobu donc loolu lañ bëgg buñ ko defee liggéey bi gën a yomb ci ñun mooy benn ñu ñeme coppite yi bu ñu soppiwul. bu ñu andi woon ay milliards defar tali yi ci wër bu ñu jëloon dëkk bi gën a développé soppi ña fa ne andi leen du tax ñu dem il faut ñu ñeme coppite yi coppite mooy defar àdduna. Euh, am ngeen front de mer bu am solo maa ngi ci waxtaan ak monsieur le maire da ngeen di def programme initier programme état bi xam ne sonn ngeen ci am ngeen ci pas-pas ndaxte ñu koy laaj dafa bëri monsieur le ministre de l'urbanisme wala de l'hygiène bu jógee 552 communes ñoo koy xaar ku ci ne taxaw ne ko mënuñu ko bu ñu leen waxee dëgg mënuñu defal cinq cent cinquante deux communes yëpp waaye man de ñi ci gën a am pas-pas ñi ci gën a yëngu as lii waa ji di wax boo leen defee benn pas ma def benn pas boo leen doxee ma dox ni ko xale yi di waxee.